Nous sommes vendredi 15 septembre, chers auditeurs et auditrices. Bonjour et merci d'être au dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Rukayatou Abdraman. La technique est assurée par Seine Issa et Fanta Chamsou et à l'édition. Rukayatou, bonjour. Bonjour Salamatou, comment tu vas Ça va bien, Dieu merci. Qu'est-ce que nous avons préparé à nos auditeurs ce matin Comme toujours, Salamatou nous offre ferons à nos auditeurs un programme rempli, un flash d'informations du loti du sport, de la culture linguistique, la rubrique hebdomadaire et pour le reportage des régions, nous ferons un tour à Dosso. Ruki est comme invité. Ce matin, nous recevons Manu Seydou. Il est producteur et vendeur du médicament de la pharmacopée traditionnelle Artemisia. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté par Rafika Kata. Rafi, bonjour. Bonjour Salamouti. Quelles sont les nouvelles de ce matin Alors pour ce matin, plus de 11 milliards de francs CFA de charges annuelles pour le personnel sous contrat et agent à statut spécial Dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l'État, le ministre délégué aux Finances a demandé à son homologue de la fonction publique un réexamen minutieux des dossiers du personnel sous contrat et agents à statut spécial, Selon une évaluation faite par le ministère sur instruction du Premier ministre, et ministre de l'économie et des finances la charge annuelle de ces agents qui ne sont pas fonctionnaires mais sont payés par le budget de l'État s'élève à 11 milliards 529 millions 988 764 francs CFA. La lettre du ministre délégué chargé des Finances demande un réexamen minutieux de ces contrats et éventuellement leur résiliation conformément aux clauses contractuelles. Le, ministère des Affaires étrangères a, quant à lui, dans une lettre adressée aux représentations diplomatiques du Niger à l'extérieur, annoncé l'annulation de plus de 992 passeports diplomatiques attribués à des Nigériens et non-Nigériens n'étant plus en position de détenir les 10 passeports pour des raisons de caducité. Notons que sur les 992 passeports annulés, 674 dont 50 délivrés à des non nigériens ont été établis pour le compte de la présidence de la République et plus de 300 l'ont été au profit des conseillers et autres chargés de mission à l'Assemblée nationale du Niger. Enfin, pour ce matin, en prélude aux assises nationales inclusives et participatives, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdouharouna, a présidé lundi la cérémonie officielle de lancement des travaux préparatoires pour l'élaboration du mémorandum de la région de Niamey. Selon le gouvernement, le le point de départ des travaux est projeté dans les jours à venir. En effet, pour réussir le mémorandum de la région de Niamey devant servir de base de travail aux assises nationales, le gouverneur de Niamey a rappelé quelques principes fondamentaux, c'est-à-dire des prérequis qui seront de main courante de guide aux propositions admises comme base de raisonnement. Ainsi, les décisions qui seront prises durant les travaux préliminaires ainsi que celles qui le seront lors des assises nationales s'identifieront aux intérêts de la nation, de l'ensemble du pays afin d'apporter pendant la transition de la stabilité, de la solidité et du fondement. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous recevons Manirou Saïdou. Il est producteur et vendeur du médicament de la pharmacopée traditionnelle Artemisia. Bonjour Manirou. Bonjour. J'espère que vous êtes bien installé sur l'émission Le Niger sur Kalang. Oui, je suis bien installé. Bonjour Manu Oui, bonjour. <laughs> Mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord notre première balade musicale de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit du 227 concept avec le titre à la nigérienne. la danse. Gauche, droite, non, c'est pas la cadence. pipi, pipi, bouge à la 2-2-7. Et bah, et swag à la 2-2-7. Tu peux passer, c'est la zik, elle est vraie. Namba, namba, nande, il est 2-2-7, on est calé, calé. Il n'y a pas que des conflits ici. Il y a la paix ici. Et il y a l'ambiance aussi. Nigérisé, nigérisé. toujours mutaka, yeti yeta. carré c'est molada, algeta. Mitinir, kasa, mandi, batura. sur la musique du pays. Oh. Ce soir c'est l'ambiance africaine, c'est pas grave si tu n'as pas de milieu Oh. C'est vêtu de tes plus beaux bails. que tu illumines la Samaria, que les pères de ton Très crépitent quand tu bouges tes hanches. Fais nous voir tout le long, qu'on ressent quand tu danses. C'est dans cette africaine ambiance que le Niger bouge en cadence. Nigérien, c'est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement du groupe de rap 227 Concept. C'est une chanson pleine de sens qui invite les filles et fils du Niger à consolider la cohésion sociale au sein de la communauté. Ah, بسم الله هلا وجلا ما نعم، إنني جاي يا بسم الله Après cette euh, pause musicale, chers auditeurs, retour au studio avec notre invité du jour, Mani Seydou. Il est producteur et vendeur du médicament de la pharmacopée traditionnelle, l'Artemisia bonjour Saïdou. Oui, bonjour. <laughs> Alors, euh, qu'est-ce que l'artémisia euh, L'artémisia est une plante qui soigne le palu. Euh, justement, on parle de l'artémisia annua. L'artémisia annua est une plante qui est originaire de Chine. Et cette plante-là, c'est à base de cette plante qu'aujourd'hui tous les médicaments qui sont sur le marché contre le palu ont été élaborés, que ce soit Artemeter, Artefan, Artesunate. Aujourd'hui, vous verrez même sur les perfusions sérum, c'est des Artesunes. Donc cette base-là, c'est... Euh, tous ces médicaments ont été élaborés, comme je disais, à base d'une molécule qu'il y a dans la plante qu'on appelle artémisinine. Voilà. Mais il se trouve qu'à la lumière des études, aujourd'hui, nous savons que la plante une totem en entier et un remède efficace et naturel euh, contre le palu est très efficace. Comment l'artémisia se présente C'est un arbre, un arbuste Oui, c'est un arbuste. Mhm. Euh, c'est un arbuste. Euh, comme son nom l'indique, Artemisia annua, c'est une plante annuelle. Donc elle a un cycle d'un an. c'est un arbuste qui peut aller en tout cas jusqu'à 2-3 mètres selon selon les biotopes. Et aujourd'hui, euh, cette plante-là, nous la cultivons en Niger. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est une plante qui est originaire de Chine. Et, c'est une plante qui est très bien connue en médecine. Et quelles sont ses vertus euh, Effectivement, on en parlait de palu. La plante, elle a plein, plein de vertus. Euh, elle a beaucoup de vertus quand même parce que la plante en elle-même, elle a au moins 400 molécules. Et dans ces 400 molécules-là, on a décidé qu'il y a au moins une vingtaine de molécules qui tuent le plasmodium. On sait que l'artémisia est utilisée dans le traitement du paludisme, dans le traitement du Covid-19. Ah, récemment en Chine, ça a été utilisé avec, euh, à Madagascar aussi. Euh, l'artémisia soigne euh, la tuberculose pulmonaire la bilargiose, mais nous avons plus d'études par rapport au paludisme, parce que c'est ce qui est endémique chez nous et c'est ce qui tue le plus chez nous. Euh, aussi, ça renforce le système immunitaire, c'est un déparasitant. Et l'artémisia aussi fait baisser la glycémie. Donc c'est bon pour ceux qui ont le palu. Et l'artémisia a des euh, molécules qui attaquent les cellules cancérigènes dans le sang. C'est un anticancer aussi. Mais nous n'avons pas euh, beaucoup d'études par rapport à ça. Il y a les études qui sont là, euh, mais pour l'essentiel, on se limite au palud. Par exemple, pour le traitement mm, du paludisme, quelle est la posologie Voilà. Effectivement, au niveau de la maison de l'Artemisia, nous avons effectuer des recherches. et On en est sorti avec une posologie plutôt, qui est assez précise. 5 grammes pour un litre d'eau. Pendant une semaine et fini le paludisme. Matin et soir ou bien une seule fois euh, Le litre, en fait, vous infusez 5 grammes dans un litre que vous prenez en trois prises, matin, midi, soir. En tout cas, le long de la journée sur 24 heures. Trois fois par jour. Oui, voilà, sur 24 heures, c'est ça. Et sur euh, combien d'hectares vous produisez l'artémisia Aujourd'hui, euh, on a un premier site qui est à Colo, qui a abrité la première maison de l'artémisia. C'est un site euh, de 2 hectares, un peu plus de 2 hectares. Voilà. Et nous avons un second site qui est là à Sagagourou, qui, qui fait la moitié d'un hectare. Euh, y a-t-il des techniques de production à respecter pour que euh, la plante, l'artémisia, arrive à croissance Effectivement, au niveau de la maison de l'artémisia, nous avons élaboré un protocole de culture. Et sur ce protocole, euh, déjà avec des standards rigoureux, mhm. nous produisons en culture biologique, c'est-à-dire sans, produits chimiques déjà. Et nous avons, parce que effectivement, au Niger, on a réussi, on a commencé l'artémisia en 2017, j'ai commencé en 2017, et aujourd'hui on a pu adapter la plante à notre biotope. Ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir des plants vraiment qui, qui vont jusqu'à 2-3 mètres, et suivant les standards de la maison de l'artémisia. Effectivement, au niveau de la culture, aujourd'hui on a le savoir agronomique nécessaire pour réussir cette culture-là partout au Niger. Mhm. On l'a fait à Niamey, on l'a fait à Agadez, on l'a fait à Magaria. Et aujourd'hui, nous faisons aussi des formations sur la culture de l'artémisia. Donc nous formons aussi les gens sur la pratique agricole, les bonnes pratiques. D'accord, merci beaucoup. Chers auditeurs, place à présent à notre revue de presse présentée par euh, Nafisato Adamou Sirfo. Nafi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalongo. La coopération militaire, le CNSP dénonce l'accord militaire avec le Bénin, nous apprend l'agence nigérienne de presse. En effet, tout dans un communiqué du mardi 12 septembre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a dénoncé l'accord militaire du 11 juillet 2022 liant le Niger au Bénin. Le CNSP justifie cette décision par le fait que le Bénin ait autorisé le stationnement des militaires mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CDAO contre le Niger et ce malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux pays. Selon le CNSP, euh, les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Benin devenu institutionnel ont facilité la signature de cet accord de coopération militaire entre les deux pays. Après avoir réitéré leur volonté d'éviter l'escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, le CNSP décide donc de dénoncer la et une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure en la matière a conclu l'agence nigérienne de presse. Suite de cette revue, ne Nafisa, après plus d'une décennie de calvaire, enfin le bout de tunnel pour Hamamadou, titre à la une l'hebdomadaire nigérien Le Républicain en exil depuis près de deux ans en France où il a été autorisé à aller se soigner après sa condamnation au sortir des manifestations de contestation des résultats de l'élection présidentielle de février 2021 à autorité morale du Modenfa Lumana, est arrivé à Niamey le lundi 11 septembre et ce sur autorisation certainement des autorités militaro-civiles au pouvoir, précise le républicain. Selon toujours la même source, Amamadou a fait cas de son souhait durant au Bercail au cas où la junte l'y autorisait dans un entretien accordé à Paris au journal français Le Courrier. Pour rappel, le Premier ministre a déjà annoncé la décision du général Abdraman Chani de procéder à l'élargissement de tous les détenus politiques de l'ancien régime. La ministre a particulièrement insisté sur le cas de Hamamadou qu'il a présenté comme l'un des plus grands hommes politiques contemporains de notre pays. Il est donc ainsi arrivé au Niger et obtient ainsi une liberté provisoire sa forte pluie et tempête dans la région d'Agadez, environ 948 ménages et des infrastructures de services publics touchés, rapporte le gouvernemental Le Sahel. Selon la direction régionale chargée de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes à travers les données transmises par la DGPC, trois communes de deux départements de la région sont touchées, à savoir Arlit et Chirozérine. Le bilan provisoire cumulé des dégâts occasionnés dans ces localités fait état d'environ 948 ménages touchés et près d'une dizaine de décès. Le Sahel rapporte toujours que de la commune urbaine et les localités environnantes, on a enregistré un bilan lourd suite aux fortes précipitations du 1er au 2 septembre, ayant fait environ 6 000 sinistrés, des infrastructures de services dévastées, la perte de bétail et des classes endommagées. Face à cette situation, les autorités régionales, à travers la cellule crise alimentaire, ont apporté des appuis alimentaires pour accompagner les ménages sinistrés. Des enquêtes de ménages victimes d'inondations sont en cours pour évaluer les besoins conclus le Sahel. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa, chers auditeurs. Poursuivons la deuxième partie avec notre invité du jour, Manuru Seydou. Manuru, comment est-ce que vous commercialisez l'artémisia euh, Là aujourd'hui, nous nous commercialisons autant pour moi l'artémisia. Euh, en fait, nous avons plusieurs points de vente euh, à Niamey, euh, notamment des supermarchés, des superettes et même des pharmacies. dans des pharmacies, vous pouvez avoir le produit. Et puisqu'au niveau de la maison de l'artémisia aussi, l'une de nos missions, c'est de faire la vulgarisation de la plante. Il y a les gens qui nous appellent aussi directement. Donc on fait les circuits courts, que ce soit euh, une vente de proximité et on met aussi dans... Euh, c'est-à-dire, on, a créé aussi des points de vente un peu partout à Niamey, à l'intérieur du pays. Voilà. Et elle se présente sous quelle forme sur le marché et sous cette forme-là, sous la forme d'un emballage euh, avec papier craft. Déjà. De la matière. Oui. Euh, euh, à l'intérieur, oui, elle se présente sous forme de. C'est des tiges mhm. et des feuilles broyées de la plante. Mhm. Voilà, en vrac. Parce que justement, lors de nos études, on s'est rendu compte que la meilleure façon de prendre l'artémisia, en fait, c'est de la prendre en vrac. Mhm. Comme ça. Et vous vendez ça à quel prix euh, Ça se vend à 2000 francs. Ça, c'est le prix conseillé euh, par la maison de l'artémisia. Et la vente, est-ce que ça marche Vous arrivez à vendre quelle quantité euh, Par jour, par semaine ou par mois Par jour, par semaine, par mois. Je vous dirais. En fait, c'est assez relatif. En période de palu, vous ne pouvez même pas en fait, quantifier exactement. Parce que tellement qu'il y a la demande, euh, à chaque fois, c'est des appels. Mais. Enfin, c'est au moins un millier ou deux mille paquets comme ça, en période de pic. À quel point c'est efficace, le médicament Le médicament, euh, selon les études qui ont été menées au Congo, par le docteur Moniangui, euh, randomisé en double aveugle euh, avec tous les standards, euh, protocoles rigoureux de recherche de l'OMS. On, on s'est rendu compte que l'artémisia est efficace, de, ça va à l'ordre de 99,5%. Hmm. Voilà. Et quelles sont vos difficultés rencontrées de la production Parce qu'on sait que c'est une plante qui, est, qui, est d'origine, vous disiez, de la Chine, non De la Chine, effectivement. Oui, euh, vraiment, comme on dit, faire pousser l'artémisia, ce n'est pas un jeu d'enfant. Déjà, les, les semences sont minuscules, c'est comme des grains de sable. Et c'est une plante vraiment qui a besoin de beaucoup d'eau au début. Euh, donc, euh, c'est très difficile de faire pousser l'artémisia. Mais aujourd'hui, à notre niveau, le processus est maîtrisé quand même. Hmm? Aujourd'hui, euh, je peux dire qu'on peut, on fait pousser l'artémisia sans grande difficulté au niveau de la maison de l'artémisia. Je parle de la maison de l'artémisia parce que la maison de l'artémisia est un centre, non seulement de recherche, mais de production de l'artémisia avec des protocoles vraiment euh, standards à nous et qui, qui, ont fait en tout cas la réussite de de la culture euh, de cette plante-là au Niger et un peu partout. Merci, merci Manir d'avoir répondu à notre invitation. Oh, je vous en prie, c'est à moi de vous <laughs> remercier. Vraiment, merci beaucoup. Euh, vous faites un bon travail et je vous encourage euh, et je vous félicite aussi pour tout ce que vous faites et l'occasion surtout que vous donnez à des gens comme nous, des producteurs, des associations, de montrer ce que nous faisons et de l'effort que vous faites de nous faire connaître. Excellente journée à vous. Ah, merci à vous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, place à présent à notre rubrique hebdomadaire. Et oui, au Niger, la culture a une place importante dans la vie de nos populations. Seulement, cette culture connaît des difficultés énormes qui l'enchaînent dans son développement et même son existence. Le, le département de Balayara ne fait pas l'exception. Cette localité ne dispose plus de troupes culturelles et la toute dernière est en agonie malgré les efforts de ses membres qui l'animent. Elle serait en voie de disparition selon son promoteur. Pour lui, il n'y a aucun soutien des autorités locales et il y a surtout le manque d'une direction de la culture. Oumarou Mohamed Oumaïga, promoteur de la troupe Soukabe de Balayara, explique la situation au micro de Hassumi Gourouza. Je suis shekara kuka Balayara? Sai ce ma en 2011-2012 na zo Balayara. Da na à Balayara en tant que ma'aikacin radio nous zo. Na zo garin à Balayara. abun ko trop ko mine ne na annashuwa garin ko guda b'a balayara shine sai wata rana sai na kai kayan kiɗi na da na kai sunan su s yan yara na wasa haka suna fet scholar wani tresme sai na gwanon su 'yan mata ƙanana suna rawa sai ce yaran ga birama in sun samu taimako suna iya zama wani abu sai na kira yaran nan su biyar suke sai na ce musu wai kaka za ku iya zuwa mu zo mu shirya wani mu yi trop suka ce to chef duk abin da ka ce na zo na ɗauki yaran nan muna an tarnama hannun trop in ta suna su kabe ina da ina ne kuka ta yi gurin wasa ga sunan turup ɗinku je represente balle yara guri da yawa na represente kuma na ci trophy ni dukkan na tafi trophy ni kici sai eliminator tandalo da na kai dance na zo deuxième place amma dukkan na muka ta elimination si c'est regional si c'est départemental sai na ci premier kuma ko ina na ta wasa wallahi sai an yaba malam umar ana ku gani me yasa annashuwa cikin gaba a nan balle yara abin da ya sama anisho ta ci gaba a garin ballar yara babu na ɗaya director ɗin mgc na ballar yara ba a ce mgc samariya za a ce mata babu mgc samariya ce kenan na biyun meri da ya kamata a ce ta taimaki mutane merin ce za ka tahiya wajen su neman wani abu meri ce ma ita ba san da wannan wasa ba sai kama eh, misali kaɗan wata shekara mun ta eliminator regional na kan region da aka yi a can tera le 13 departement su gamu na ce zan kai yaran nan na ta meri da a samu mota da wakilin meri ta ce ita ina message babu message da ke gwada mata ce mata za mu ta kaza kaza ba da kuɗi na ce mai yaran kai yalla kuce mata himu sai guda ta ce min chef bari mu kuɗin mota muna tahiya wallahi da na ta ni da kaina cikin kuɗi na na hudu kuɗin mota na tahi on était premier a tera sai ba su ba mu kuɗi ba mai trophy sun ba mu trophy kuma su yara sun samu zannuwoyi da dukorin mai sai tsannunar da haka kuma dukku

wata turup in balayar ce wadda ta ce prime minister suka so su da ita sai mai ce bai labarin ta sannan ya kira director director ina ce min akwai ka zai ce eh ni dai ne lokacin nan ne ma na tahi mgc muka yi musu interview muka rawa suka yi filmin suka kome kome su koma kaga abin da sa balayara kini wani guri na ashirin shawayu sha baya ina da turup radio ta tiyatar Je représentais Tilaberi, même pas même Balera. Je représentais Tilaberi Zander Sabwa le théâtre. Abu wanda Balera gashi nan gurin ne amma mutane sun maida shi baya menene baka samu tallafi ba. Kenan baka bai zuwa. Pause. Fidèles auditeurs, euh, voilà, c'était le reportage de Guru Zahasumi. marquant une pause musicale pour écouter

dans la vie, il y a ami, il y a ennemi, il y a très bons amis il y a mauvais amis Appelé à vivre avec autrui, il veut dire construisent, il ne veut pas ils détruisent. De chaque nation, il y a ce qu'on a choisi, la courtoisie ou l'hypocrisie. Je vis ma vie, tu fais la jalousie. Oh, Babylonie, c'est pas le temps, moi et mon ami, on s'éclate au riz, car ici va la vie. Nous on avait déjà compris que l'amitié n'a pas de prix. C'est Dieu qui prie. prie, Dieu nous met à l'abri de tous ces maigris. Maman, je pense que t'as compris. Tu as ta petite amie, embrasse-la si ça te dit. Tu as ton petit chéri, Parce que si ça te dit. quitte jamais tes amis, ah, à cause de ton chéri. jamais ta famille, j'ai chéri, à cause de ta famille. aganay seedkayna tobay baaniga kanaada foy joogtahayno joogtahayno Kirmama, ah, ni wendiya, magan fatay sanira din furo tabira halbanik di sabira haino ginna fa zamse sabuga kanu fa shi fa abokinka abunda dan uwa bai maka shine zai iya yi maka chotorera shi abokinka furo est le titre que vous êtes en train d'écouter, né le 7 août 88 à Niamey, l'artiste Mamandare Moussa alias Dare est un jeune artiste rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient de le afro-rap. Tobaï est un clip qui prend d'assaut le mouvement rapologique nigérien et qui a été l'objet de l'accroissement de sa notoriété. L'artiste Dare sur toute l'étendue du territoire national, tant sollicité et aimé par le public nigérien le titre Toba est devenu un refrain favori chez les mélomanes au Niger. Bani ga kana da foyi, torta raino, torta raino a ganin sai kai ne ta bai ba ni ga kana ta foyi cota raino auditeurs, c'était l'artiste Daré Ruki, pour le code des rejoint. On va où nous allons à Gaïa pour parler du Tumba, une musique qui fait partie de l'identité culturelle de cette ville. Et pour cela, notre reporter Habib Gerba s'est entretenu avec Omar Ouissaka, artiste musicien de Gaïa. Il décrit cette musique qui fait la fierté de la culture d'Indi. to lallai matakan kare mota da iwo so ya kine manki iga no tun basin tin ban da bore no na ta ka to iga don mataki ga tun ba te arwasai da wanda ya noga kan badan kirra ka te so ta din din te kwede orkesir gine ya bore orkesir izai kiran da kira ko kan kwara ke te wala hige te ikwe ka karborase bina kanira da murna so so goya din kala harka bai haikulu bar mai yansu bai gita wasu a te ise sana ngare gogai wundo jaran da so a yi na hige yante ai te kebo yan kulu a gano zama ngade no kiya kine kan da tuno igiza or kontara di tunu profondu je wala kebo ikaki invite invite mo sinda hankan igino nkoy de no hankan ikweni no no ursa wani ngano tini wani kala so a to nan kan da boraka arans gorono kasalam amma zinga nan gufon iga for borase zambar wai nan gufo yi kar zambara haku di ni za ka de palasen de nyame yandimi fo ngai to nan di zambar wai taki zambar waranza kaman ta kai gadu norsa so la sabu wato annasu wano igati amma sun ati sana alhamdulillah ke nay ikwe sabu ya kine ay giro me indun bo oh, oh, oh. ay gunda giri giri waranza afosi iguru i bora hakuno mm. ma goy fo do goy fo dum no boy ko yite ni oni no do no o oh, ay no ti do no ka to bor jara mi fo ni yite gitarisi ay mayo o se eh, o maru isa ka ay no ti do no mm-hmm. ka usman nga no ti gitariso hasan nga no ki batero ada nga no ki tumbaliso afogo na kisi ga ne jayi mm-hmm. nga mo gitarisi no me amma ba gita gono gita de bass gono ikunne ga wani mano ga wani jayo ga wani te no ikarno ka char fulanzan i president mo mo gono alfa bulandi tumbali so bumbo gundan ga borkan ga fulanzan ga moy gani ase shaini tumbali so ki o kanga hima gumbedi oh. me hin ka ko ni kango lamba kerga kai ga karin da kambe go umar so ni gin gin gin da faru sir ma tumba do no matkan ni ga te da dun karo lalle azin da masala ga te to to irma to ma wallahi dede bore maka umoru kan da da wai yaki umoru kan da da umoru ke zai zanka to eki mani zamani aliborai kayan wanda na kom. amma wo kanyan tanganda wanda kasa Salai kan ganya ga wallahi babu roganda wanda masu salai kanin ga. to masisa ka ni nyaga zaman be nyama na kifuruku nya nyama na kifuruku nga kini to na ndi ga ale de nyama na bora ngai to ni ga kwanda wande omar son do ne karang te mm. ma na fo dum no go se wo sike no go on karang dangi ra zamiro no dine tum kulu son da so be sanni dai no borgedi mm. fa mandir se hankan no giti hankan gutum ba faida Eh, doni gere kan borai ga bai maliyar yan dona ya ifo ifo eh, to lallai tumba wa dandi ki gane tumba dono a gunda fayanka domin boren gona kan dono ba kai gokati igote dai no ya ne to doni gunda mana ifo se nin na dono ka so da mate zamani alborai mhm. ayo dai bonse ai gunda bere kan basatarego indaga mara ai hawai zano no hanifo go goro kine kala ana ngwari dai akanda nga kwara ana noy kwanda nga wanda se inwa kabani amma ndi manyo wano ka a wani su ba ye kaka wa amma ndi manyo wano ka to we de sine guna kanna aina doni we ne o mhm. zama di kasi ga hego o Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Restons toujours à Gaïa pour la page du Adam Sarou est avec nous. Adam, bonjour. Bonjour, Salamatou. Alors Adam, débutons cette page des avec la situation de la pétanque dans le département de Gaïa. Eh bien oui, Salamatou, à l'instar de plusieurs autres localités du Niger, le département de Gaïa dispose aussi d'une équipe de pétanque. Mais plusieurs difficultés plombent ce sport dans le Dendi, explique Haruna Yahya, le SG du district de Pétanque de la ville. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Les jeux se portent euh, vraiment plus ou moins bien parce que quelque part il y a des manques de moyens. Mais quand même, on se débrouille avec ce qu'on a. Comme vous le voyez, chaque soir vous nous trouverez sur le terrain, donc au niveau de dans le centre de la préfecture. Malgré qu'on n'a pas de terrain propre à nous, donc on se retrouve là-bas pour euh, en fait vraiment s'entraîner. Malgré les maigres moyens, vraiment ça va de l'ensemble parce qu'à chaque fois on se débrouille pour euh, vraiment y assister aux différents championnats organisés par Boule. L'année surpassée à Telaveri, nous avons eu à occuper la deuxième place. Toutes les régions y étaient présentes. Le club de Gaïa, à travers la région, parce que c'est une question de région, on était finaliste, malheureux si on peut le dire ainsi. Mais quand même, ça va. On a l'espoir qu'un jour, Gaïa fera parler de la région de Dosso. La pétanque ne marche pas comme on le souhaite parce que ce n'est pas un sport connu, comme le football ou la lutte. Après la pétanque, Adam allons à présent dans la région de Tilaberi, plus précisément dans le département de Balayara pour la situation du football. Eh bien oui, Ruki, avant de vous parler de cette situation, je vous donne un peu l'historique du département du Balayara, qui est doté de sept équipes de football, mais malheureusement, ces équipes sont prises en charge par les entraîneurs avec leurs maigres ressources. Mais c'est le cas du club Alphala Outre le manque de soutien financier, il y a aussi un problème de terrain où les équipes doivent s'entraîner. Sofiane Garba Salifou, entraîneur de l'AS Alfala, de Baleyara, nous fait la situation dans la localité de Tagazar. Il est au micro de Hassoumi Gourouza. Le football euh, se porte mal ici. Il y a les joueurs, les enfants veulent jouer. Malheureusement, même un terrain réglementaire ici, c'est un problème. Il n'y a pas. Chaque fois, s'il y a des matchs, il faut que les équipes partent prêter un terrain pour faire leur match. Il n'y a pas un, endroit euh, spécifique pour jouer le foot euh, à Balère, Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça régulièrement. Vous n'avez pas fait des doléances au niveau de la commune pour vous octroyer un terrain pour que vous jouiez En tout cas, nous, à chaque occasion, avec euh, les autorités communales, nous les faisons les cas. Vraiment, la jeunesse a besoin des liens, des, distractions pour faire les activités sportives parce qu'il y a la jeunesse qui veut s'amuser qui veut faire ça, leur domaine, mais malheureusement, les critères ne sont pas remplis. À chaque occasion, on les explique ça. Donc ça veut dire qu'il faut aller voir un champ de quelqu'un, vous lui demandez la permission pour jouer le foot Bon, des fois des champs, des fois c'est les écoles. Oui, c'est là-bas nous portons demander, des fois on nous donne l'autorisation, des fois on refuse et on n'a pas le choix. Maintenant, quel appel allez-vous lancer au niveau des autorités de Balayara pour qu'on puisse supporter cette jeunesse qui aime jouer le foot L'appel que j'ai à lancer à notre autorité, c'est de regarder la jeunesse, d'écouter la jeunesse, parce que ce sont des jeunes déterminés, engagés à faire ressortir le noms de leur département. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas arrivé à là où nous aurons des autorités qui vont nous écouter. Mais maintenant, nous souhaitons que les autorités écoutent notre euh, doléance pour euh, rapidement nous trouver des solutions qui nous permettent de nous mesurer avec euh, les, autres localités qui nous ont dévancés. Eh bien, Ruki, nous terminons à Baleyara cette page sport. Merci Adam pour toutes ces précisions. Nous allons entamer le portrait du jour qui nous amène à la rencontre de Marie Isaka, plus connue sous le nom de Nyaloga. Ruki, elle est âgée de 50 ans, mariée et mère de 8 enfants. Marie Isaka est la présidente du, du groupement Shukura, un groupement basé à Balayara qui met l'accent sur la transformation des céréales, une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Elle est au micro de Adama Dawaki. amma y'a loga no igi bai ballai yara to ayo go de kiki kan bugo zama wa guni hiriziyan aigi tangi aigi te shushuyan dotti ne da zankuwa ne aigi te portikile da mai ne nise da safunai din te gariri te tapioka irgite gwam irgi te dunguri fallanko te beruwa te dan wake hamni in ku dungur kono irigante koko dottiji gana han zanka gana han wadin banda annasarai no ne polampi. to irmo irsine polompi zama annasarai iwanno polampi irmo te patu de ngerega halo kaso ngumo dunguri hamno da bundi bundu da damsi dikiri ara eh, waibor margino go da eh, goyo wote irguru grupu mara ai sinda kal borgo itaki boy bor waran zikin al borgo al boray hankan sai inni dan woy bor hinne asihini goy kindu kate so nanga foyan igi hin kine irma kanariyan di irsi hini koy alboray din kango irra igo koy di ka igi de dirse matkan note halo ka sungo irgi hini sakay wo kirgi dungure dai kadan dirsi wani ikini alboray din ngay no dunguro hanse ima dan sakora wadin banda koy ne irgi te lamti safun irin ta windi bundi safun matanon aron goga ce ga halasi kan gadan hayo microbe wala zibzi ba a fuma su furara goyi kulka irin baka te dine suba irga te beruwa irin ke irin lai kulse bai kulma lami ke cikin kam kyamsai ka da kwarbai zugo niga niga ka da hiri kan bi hiri go niga niga ka koyilmo haloka songo di ka isidan kwai kan bukuku kwai dirgo goyote ni zara mu kwarfai zinon gan hauda sin da amferi ni mahau gani mu yaka ku da a istiyadin din ni te ina ko gandi irgi ke kile da nukan dankan ambali ina mu koi nera wofo ga ti sandai karan gobidi aran gora iro sanda da kan irgo gidi da kace ha irga bano irmudu le ke kayante kan ga ambalage te zam ambalage ne yan nyamino irgo kwakani dai ya dinga di du fondo irga hin kudu nan kan ambalajo iga kar kul zama etikete kul kan go irse iman da me ir ma shukura ma no go iga dir tarfon lambai wo fo kitina fa kan aran du to na fa kiddu da kici inir ko sab zam dum man ki goyo kirgote is ko zender fuardo dum man ki goyo kan ir gogote is ko tilber kendaru isir ke nyame halo kasungo manna yakine kwaro waino merci ko ne sambu konda ay goy boroy dondoren di safun way dizo da fura turare da safun likidai din da dugu da sabar safari galgajiya wana no irgo gite matano aranga da ngum bola bibel no irga te da. dilim kopto dilim kaina har har no wala dai iga landino a a har har dai no irga te kadan buati ziyara matkan dai wankan annasarai goge tedin ka igun motti kutu singa iga ngu mon gada ni buwati zirano din mutu su niga sobor selam binga fond de commerce danga margikin no aran sintin da ta wallai sintin ita mo kiri go sintin iri borai kul gwara no in ne makan da dungu su fofo in ne bai kan sin dungutta dungu tasa makan da dungu tasa noro borgere kan da dunguri borai kan da noro to noro din no iddan kera ngono ina fufiyan itira inni garai dai lede ya ko goyo sintinda to wato din dunguru ta sa si kal zangundu waigu cotisation ko na kangaranga te handu handu no cotisation wala semaine ka semaine no wala giri ka giri cotisation o dai kai rete dai kaci ir grupo din din ir ke formation dir ko formation do ir ga te kanan di hinzo no bora kan ko formation do musam kanan di hinka kanan di fa ma dan ke sura allocation lokaci ka lokaci irgine to borem te irum sura han foyam mo ir group ma kunno du formation din formation wote irga ka wai goigu irum sura ai sindi ize kan gogo goyo don don zam izwe kan ni goda hige irwo ir group din furara ka den barga no nugu furara marge no barga ban nugu furara irsi no rubo bo kosu zam bar hin kede no irgine nim bana nim furo zam din ne bora se ka ku furu yakini da furu asugo valer din ni no ruban ku furu mu dole no ni kai ni no kan ni bana ni kay ku ko ni no musu musu Merci Adama pour ce portrait, chers auditeurs. Reportant en musique avec euh, le groupe de rap MDM Crew. Le titre, c'est Ranan Auramu. C'est ton jour dé, c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Oh jour joie tout c'est toi la plus belle. J'ai fait le sang devant Dieu, bébé être ton meilleur. C'est ton jour dé c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Aucun jour tout dé Dieu baby deto tomeye Yora na kiche Yora na muje J'ai fait les commandes mon dieu baby ton meilleur C'est ton jour today C'est ton jour le plus beau Tout ce monde autour de toi T'es témoin de sa joie Et mon dieu Ok jour today c'est toi la plus belle Dieu bébé d'être ton meilleur Y'aura na kité, y'aura na beauté J'ai fait l'escamant devant Dieu auditeurs, place à présent notre loti du jour qui parle des responsabilités des maris. Dans nos sociétés et nos cultures, dans les couples, les responsabilités de chaque conjoint sont déterminées. Aujourd'hui, dans le loti du jour, on parle des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Une discussion entre Rekia Arimi, Samira Rafi et Asumana Shina. Hey! matso ki ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Subhanallah. Aisha, lafiya kika zo min da kuka? Me ya same ki? wallahi wanga wagan ya ishe ni a wagan wahala wallahi kashe ni dai zai yi me nake shirin ji kashe ki subhanallahi zo gaya mini gaya min da Allah me ya faru tanti Usman ne kuma ba ma yi wata biyu ba na zo gida na gaya muku abin da yake yi mini kuka bani haƙuri kuka ce in koma wallahi ya ƙara doka wannan mugayen halayen nashi yana samun kuɗi amma ko abinci ba iya sai ya kamu na gidan nan baya biyan haya kuma yanzu an koro yara daga lakwal saboda ko in nan da ake biya ba su bada ba yanzu ya ki badawa yaran na can zamna gare ni gida wallahi na gaji ban iya wani ban komawa gidan shi <laughs> kai ni hafsin kwatore zo zauna tsaya in ɗauko hijabi na in Allah ya yarda sai na gaya mishi abin da yake son ji zo mu tahi <laughs> gaba ya Ina nan zai zo ya iske ni. Kyale shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A tanti ku ne a gidan cikin dare haka? Ba cikin dare ba ne ina nan tun da sahe nake jiran ka. Kai sai yanzu ka zo. <laughs> haka ne gaskiya na makaro. Na zo cikin dare halin ka ne haka babu ciniki sosai. To Allah da ya taimaka. Ɗana na zo ne in maka magana. Ka zo ka zamna. To in ka gane ni a gidan nan don in yi ma magana ne. 'yan watanni ka sa yarinyar nan ta dawo gida na zo da kaina cikin wannan gidan naku na sasanta ku da kai da aisa hmm? yanzu kuma abun ba zato ka sake shiga halayyar naka na da haba usman aha aisa ki ki bata min suna a unguwa ki bata min suna wajen yan uwanki a'a usman bata bata maka suna ba ai jikinta ma yana gwada halin da take ciki dubi wannan yarinyar usman yadda ta rame ta yi baki ba ci ba sha ha duka kuma wannan abun a bisa kanka yake tanti hafsu ni da kaina ina kwashe gudan ini ban ci komi a kasuwa kuma ka da nake samu ina sake wurin wasu kaya ne idan na samu riba ita ma za ta samu riba ko usman allah dai ya gafarce ka matakka bata hiye muka wani sauran abu ba kariyarta abincinta da kuma tufafinta da kula da ita usman a bisa kanka yake abinda addinin musulminci ya ce kenan tun ranar da ka ɗauko ta daga gidansu amma abin da kake yi kai halin da kake ɗokawa yanzu gaskiya ka yi hankali Allah ya tambayi ka gobe kiyama. Subhanallah, tante Hausu, karki min fatan wannan abin bakin ciki. In baka son a muka fatan wannan abin bakin cikin, ka sake ɗan kaɗan kinnan da kake samu, da shi ya kamata ka kula da iyalinka, ka kula da kasuwancinka. Ka san da yaran ga gobe in suka girma suka zama wani abu, ci gaban ku ne, in kuma suka lalace, wallahi he ka tauna yatsa. Tanti, ku mini gafara kuna da gaskiya to usman ba gare ni ba za ka tambayi gafara ga matarka ya kamata ka tambayi gafara tunda ita ce kuke tare da ita aisa da allah ki min gafara kar ki bani ni kadai na sanar na cuta miki kuma yanzu zan kokari in kula da ke da ma yaran mu gaskiya usman ni na bar yarda da kai gaskiya na kummace in koma gida in kuma ka sake mugun halinka kuma aisa na rantse ba ba ƙari kuma ina son ki bani yardar ki aisa zamna cikin ɗakin ki ki kula da yaran ki tunda mijinki ya tambaye ki gafara ki gafarta mishi da fatan dai ya saki halin shi ke ma Allah ya baki hakuri ni zan tahi in bar ku ku sasanta tsakanin ku to tance mun gode Allah dai ya sa albarka Allah ya biya ku mun gode tafi Allah ya muku albarka kuma Allah ya muku c'était le loti, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans la rubrique linguistique, nous allons accueillir Alamine Ouachar qui va nous expliquer le mot citoyenneté. Bonjour Alamine. Bonjour Rocky, bonjour Salamatou. La citoyenneté se définit comme le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une ville ayant le statut de cité ou plus généralement d'un État. La citoyenneté, c'est une valeur et aussi un comportement que chaque citoyen doit s'approprier dans toutes les situations et plus précisément en période de crise. Quel est, son rôle Le rôle de la citoyenneté ici, le principe de la citoyenneté est de permettre aux individus de participer à la vie politique de leur pays cela passe principalement par la possibilité de voter pour choisir ses représentants ou pour donner son avis sur une décision politique. Maghna, une citoyenneté tishit. Tishit na gekal ma soka. Il soka atimelene tira. le groupe مري a انتمت en train de se كلاموس يعني إلي نكال كذا أسيتي وستن دا سكالين إلى لصل مدي داد كلو كلو تتونو أقا الدولة فلقنا ويقران تيشيت تموس القيمة تموس داغين تاكل يتاقاقاكل أسيو هورة أتتيقو <coughs> أريس نيدوف ولين دا تمر نيبان نتسنتيتي سنتيتي مدي تانا كرنتيتي أزانانو ما موصرت وين ورن اكتشيت ادي قلوي دنا دزاوين تاع نت فلقنا ويقلا تمدو شن السياسة تنا الدولتنا استاريت ندي قنمود ندكال نوي وين موصلنا الموكل نت فلقنا ويقلا ندكال انطلعت السياسة Merci à la mine Wachar, chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fufulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Shirye-shiryen kalangu gaskiya shirirruka ne masu amfani sosai suna kayatar da mu matuka sosai suna kwadatar da masu sauraro saboda akwai nagartattun labaru wanda ba ko'ina ma ne zaka ji gaskiyar labari ban ba irin wannan shirye-shiryen da kalangu take yi. Eh, shi dai zancen juyin mulki an riga an yi. Kiran da zan yi wa 'yan uwana 'yan ƙasa shine mu yi haƙuri mu zauna lafiya a da goyon bayan mu ne kasar mu za ta zauna lafiya saboda shi duk wani abin da yake na ta da hankali ne to a guje shi musamman matasa ya kamata mu guji abin da zai kawo mana tashin hankali a kasa. kuma mu ci gaba da addu'o'i a wuraren tarukan mu da masallatan mu da dai wurare daban-daban wanda suke na nagarta ne dan mu samu zaman lafiya. Hussein Ibrahim Nick yawa shirye-shiryen Kalungu mu nan zaman Radio Dileran kare biyar ana samu yana birge kuma muna sauraron shi ko da lokaci sahe da marece muna sauraron shi sosai mu yana birge mu eh muna karuwa da shi tunda duk abubuwa wani sabuwa na kasar mu zaman zahiya lau duk muna ji duk abun da ya faru a shirye shiryen kalangu muna jin shi yana birge mu yana mu komi muna jin komi abu duk wani a cikin Nijar a Nyame a Zandar a ko ina an yi a gidan radio da salon kalangu muna sauraron shi sahe da marece Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez, vous étiez en compagnie de Rukayeto Abdraman et de Salamatou Kadri. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bon week-end à vous tous. Bye bye.